le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radios partenaires qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, Bouza, Tamaské, Mainosoroa, Magaria, Mayaï, Bernengaure. Dorbel, Sai, Tanut, Madawa, Dakoro, Dogonduki, Walam, Tera, Ngingimi, Kabalewa et Kwarategi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 31 radios partenaires euh, qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à la déliquescence de l'administration publique nigérienne. Avec nous pour euh, développer euh, ce thème, El Ali Maman, ancien fonctionnaire et ancien administrateur de la commune 1 de Niamey et ancien maire euh, de la commune 2 de Niamey. El Ali Maman, bonsoir. Bonjour. Somaïla Abdou Sadou, il est administrateur civil. Somaïla Abdou Sadou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec nous également El Hajj Idi Abdou, acteur de la société civile. El Idi Abdou, bonsoir. Bonsoir. Longtemps décrié, l'administration nigérienne est toujours mal vue par les usagers qui parlent surtout de sa lenteur et de son manque d'efficacité. À cela s'ajoute sa politisation depuis l'avènement du multipartisme issu de la conférence nationale de 1991. Si à l'intérieur du pays, notamment dans les régions et les départements, il y a insuffisance des ressources humaines, à Niamey, par contre, on parle du surnombre euh, des effectifs. Selon plusieurs rapports, l'une des raisons de cette euh, surcharge, les fonctionnaires dans leur écrasante majorité veulent servir uniquement à Niamey ou à l'extérieur, mais euh, rarement à l'intérieur du pays. L'on constate l'absentéisme, l'attentisme, le retard, bref, des mots qui freinent cette administration. On va commencer avec vous, Alaji Ali Maman. Vous qui avez travaillé dans l'ancienne euh, puis dans l'actuelle administration, parlez-nous brièvement de ces deux administrations, le bon et le mauvais côté. Merci. Vous savez, il y a plusieurs problèmes en ce qui concerne naturellement l'afflux de fonctionnaires à Niamey. D'abord, c'est le niveau central. Donc, euh, il n'y a pas de niveau central dans les autres euh, euh, disons, euh, région ou département. Donc, il est tout à fait normal qu'il faut d'abord, euh, avant, de, avant tout faire, faire tout calcul, enlever d'abord le niveau central du du décompte. Et également, ne considérer que les niveaux régionaux, parce que le plus souvent, bah, il y a ça. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le problème de, disons, de, des femmes, et puis ensuite de nos propres coutumes. Par exemple, quand le mari est à euh, les gens, euh, effectivement, bon, la, ou la religion ou les coutumes ont tendance à dire que, bon, il faut nécessairement que le mari soit aniamé. Ça, ça constitue naturellement, euh, disons, une difficulté de, disons, de mutation ou d'affectation. Donc, ça pose un petit problème. ensuite, également, il y a la préférence même des fonctionnaires qui préfèrent être aniamés parce que ça leur permet d'avoir d'autres débouchés. Parce que Niamey, c'est la capitale du Niger, c'est, euh, si vous voulez, sur le plan euh, régional, au niveau euh, de, l'Afrique occidentale, c'est quelque chose. Donc les opportunités se trouvent naturellement d'abord à Niamey, ensuite dans les chefs-lieux de région du Niger. Donc finalement, les gens préfèrent être. Bon. Ensuite, il y a aussi, si vous voulez, le snobisme. Les gens qui sont jeunes préfèrent être à Niamey où vous avez tous les loisirs possibles et plutôt que dans un coin de Gorwal, par exemple. Voilà. Enfin, je pense que, enfin, ça, là, c'est peut-être, euh, disons, un procédé qui peut permettre d'équilibrer les choses pour voir exactement euh, où se trouvent les défauts et comment corriger. Merci. Abdou Sadou Soumaïla, selon vous, quelles sont les causes du dysfonctionnement de l'administration publique nigérienne euh, Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de m'apaisantir sur une telle thématique assez importante et cruciale pour notre pays parce que l'administration, c'est le moteur de développement. Et il nous faut des cadres compétents et à foison pour espérer sortir notre pays des sentiers battus. Effectivement, l'administration fait face à d'énormes dysfonctionnements, parmi lesquels on peut citer ceux qui me viennent naturellement en tête. Il y a d'abord le problème de discipline qui est là au sein de la fonction publique. Il y a aussi le problème d'affairisme aussi des agents de l'État, qu'il faut décrier la corruption qui est là aussi, elle est prégnante. Il y a aussi, si je peux dire aussi, euh, la politisation aussi de l'administration publique, c'est-à-dire la mauvaise gestion des ressources humaines. De, et aussi, si on peut encore ajouter à cela, la mauvaise gestion des biens de l'État, parce que les rapports de l'agent de l'État avec euh, les biens publics, on a déjà débattu sur ce, dans ce forum-là de cette question-là. Je pense que si on arrive à résoudre ces problèmes-là de discipline euh, et aussi d'affairisme des agents de l'État, de corruption, et aussi, on essaie aussi de, de voir euh, la, et moraliser, moraliser la fonction publique, parce que c'est extrêmement important. Donc je pense qu'on pourrait résoudre beaucoup de problèmes de notre fonction publique. Euh, Smaïla Abdou Sadou, l'État donne-t-il réellement du travail à ses agents Bon, en principe, chaque agent devrait travailler. Mais, au vu, dans le, contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, tous les agents de l'État ne travaillent pas. C'est triste de faire ce constat très amer parce qu'il y a la politisation. Parce qu'un tel n'est pas de mon parti, un tel n'est pas de notre mouvance, il est mis à côté. Pourtant, il est compétent. Et ce n'est pas le parti qui l'a formé. Il n'y a aucun parti qui a formé un cadre dans ce pays-là. C'est l'État qui, qui a, formé ses agents. Donc, euh, voilà voyez Donc c'est ça qui fait en sorte que les, agents de la politisation que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment aborder cette thématique-là de politisation de, l'administration qui font qu'il y a des agents qui ne travaillent pas. D'autres, ils sont compétents parce qu'ils ne s'affichent pas, parce que pour eux, il y a le droit de réserve. Parce qu'un agent de l'État a, l'obligation d'observer les droits de réserve. Donc, eux, ils sont dans leur coin, ils, attendent qu'on leur donne des tâches à exécuter, mais malheureusement, le fait qu'on ne les voit pas au bureau politique ou bien aux réunions de la mouvance, ils sont mis de côté. Donc tous les agents ne travaillent pas et tous les agents ne sont pas à leur place aussi. C'est ça, parce qu'avoir avoir des responsabilités ne veut pas dire aussi accomplir ses missions. Il y a des gens qui sont là, euh, ils ne foutent rien parce qu'ils n'ont pas la compétence à occuper ces postes-là. Voilà. C'est ça la question de discipline dont j'en parle. Alajidi Abdou, acteur de la société civile, est-ce que vous avez <laughs> à votre actif d'autres raisons <laughs> qui freinent le développement euh, de ce pays en termes euh, de, la bonne administration un des articles du statut général de la fonction publique dit que le président de la République est le chef de l'administration. Il veille à la neutralité de l'administration. Malheureusement, notre administration n'est plus neutre. Voilà le problème. Et la politisation, c'est un des éléments qui font qu'elle n'est plus neutre. Tant que l'administration, c'est pas pour rien qu'on a mis la neutralité. Une administration ne peut pas produire le rendement escompté tant qu'elle n'est pas neutre. Aujourd'hui, pour faire simple, dans les faits, ce ne sont pas les fonctionnaires, ce ne sont pas des agents de la fonction publique, mais c'est des agents des partis politiques. Ce n'est plus les agents de la fonction. Publique, Mais ils, ont été recrutés euh, par l'État. Ça a été dénaturé. Parce que c'est un agent de la fonction publique. Et la commission, le service public. Ce dont de parler, tout a été prévu dans le statut de la fonction publique. Parce qu'il y en a qui sont au-dessus de la loi, qu'on ne peut pas leur appliquer. Tout ce qu'il a dénoncé, moralisation, on n'en a pas besoin, c'est prévu dans les textes. Dans le statut de la fonction publique, tout est prévu. Si on le respecte, il n'y a pas de raison que l'administration ne fonctionne pas et qu'elle ne produise pas les résultats. Et pour produire les résultats, il faut qu'elle reste neutre. Tant qu'elle n'est pas neutre, elle ne peut pas fonctionner. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a dit au président de la République, chef de l'administration, de veiller à la neutralité. Parce qu'on sait, si elle n'est pas neutre, il n'y a rien. Vous avez beau crier, vous n'aurez aucun rendement. C'est des agents de l'État mais à la sorte des partis politiques. Ce n'est pas un mérite. Vous n'êtes pas nommé parce que vous méritez. Vous êtes nommé parce que vous avez la carte de parti politique. Même au sein du parti politique, on ne prend pas les compétences, mais on prend ceux qui sont politiquement affichés, qui juste du soutien du chef ou du clan qui a son dernier mot dans, dans les nominations à n'est-ce pas ça les vices de la démocratie non, ce n'est pas les vices de la démocratie. En fait, c'est notre problème. La démocratie n'existe pas qu'au Niger. Ça existe dans tous les pays. La politique, ça existe dans tous les pays. Mais nous, nous avons une particularité. Nous, c'est les sentiments. Nous, c'est la passion. Nous, c'est le parti politique. Il n'y a pas d'État. Il y a des gens qui peuvent mourir pour des leaders des partis politiques, mais ils ne vont jamais mourir pour, pour leur État. Donc, ces conditions-là ont fait en sorte que, finalement, c'est le seul pays où il n'y a pas d'État. Il n'y a que des partis politiques. Et tant qu'il n'y a que des partis politiques, l'administration ne peut pas être. Et tant que l'administration ne peut pas être neutre, Monsieur le maire l'avait souligné, c'est vrai, Niamey a deux catégories parce que l'administration en tant que public, publique, c'est quoi C'est l'administration centrale d'abord et les administrations déconcentrées de l'État, plus les institutions publiques. Niamey a l'administration centrale et aussi déconcentrée. Parce que la politisation a dépassé les bornes. Bien avant même, euh, c'est vrai, l'exemple du maire est, est juste. Ou bon, la culture, on ne peut pas quand même séparer un foyer. Mais maintenant, souvent, ce n'est même pas le foyer. Les gens, du point de vue politique, on leur fabrique des attestations de mariage. Souvent, on n'en a même pas besoin. Hein. Juste, c'est un tel, elle est protégée par un tel, et elle va nulle part. Euh, monsieur le maire Alage Ali Maman, al oui. Diabdou parle du manque de la neutralité. Oui, ça, ça a été décrié à la conférence nationale, vous vous rappelez. Et euh, on a été amené à faire une ordonnance, d'abord un acte de la conférence, et puis ensuite une ordonnance par la suite. Donc c'est pour, disons, faire en sorte que les pouvoirs en place ne puissent pas ou ne doivent pas, euh, si vous voulez, instrumentaliser l'administration. Bon, on a vu quelques débuts de résultats, mais euh, un certain nombre d'acquis de la conférence nationale ont <laughs> été remis en cause. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons maintenant au, presque au point de départ. Parce que là, il est tout à fait facile mais comme ça va à l'avantage de celui qui a le pouvoir, il ne fait rien. Donc il appartient à ce que la société civile, à ce que, euh, euh, disons, les citoyens lambda, de façon à ce qu'ils fassent en sorte que euh, les textes sont là, qu'ils soient respectés. Mais de tout temps, euh, si vous voulez, l'administration, la chefferie traditionnelle, je peux aller plus loin, hein, ont été instrumentalisées. Et dans le cadre, naturellement, euh, disons, du soutien, parce que euh, le, colonisateur, quand il est venu, naturellement, il a créé une administration pour lui servir, lui, pour servir ses intérêts, et non pas pour servir le peuple. Donc ça, ça s'est perpétué. Et, jusqu'ici, bon, naturellement, il y a eu quelques réformes, euh, mais jusqu'à présent, ça, persiste. La chefferie a été assujettie. Donc, comprenez bien que euh, ça doit se faire, mais il faut qu'il y ait une bonne volonté. Il y a eu un bon départ au, niveau de la conférence nationale, il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu des instruments, des lois, mais leur mise en application, à un moment donné, a été remise en cause. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons. là. Donc, par ce conséquent, euh, si on veut, disons, reprendre les choses, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience. Pas au niveau du citoyen simple. Le citoyen, certes, il est conscient, mais peut-être qu'il se résigne. Ben, vous savez très bien que d'abord, l'indépendance, hein, les remous qu'il y a eu avant, l'obtention de l'indépendance. Certains pensent que euh, ça a été d'autres pensent que c'est leur lutte et qui a donné lieu à l'indépendance. Mais alors, euh, euh, euh, donc, à ce jour, le Nigérien est, conscient de sa responsabilité par rapport à, disons, l'application des textes tels qu'ils sont. Partout où vous convoquez un Nigérien, il va vous dire non, mais vous n'avez pas le droit de me faire ça. Même s'il ne le connaît pas, il suppose qu'il n'y a pas le. Bon, donc en recherchant, il finit par se faire couvrir, naturellement par le doigt. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Cette demande de liberté, cette demande, disons, de travailler ou de servir, parce que le, problème qui se pose, c'est, disons, les principaux besoins de base que les citoyens doivent qui, qui, font défaut, tels que par exemple la santé, euh, l'éducation, euh, l'alimentation, etc. Et c'est ça qui, euh, fait que, disons, l'administration souvent cherche à détourner l'attention des gens pour instrumentaliser ceci. Parce que le problème, euh, il faut qu'ils puissent naturellement, le culte de la personnalité, il faut que ça soit banni de manière réelle. Parce que tous ceux qui, exigent que les gens fassent de l'administration ou de la chefferie traditionnelle ou d'une autre institution euh, euh, euh son subside, c'est simplement parce qu'ils euh, veulent que leur personnalité ou leur parti naturellement, hein, perpétue au pouvoir. Et oui, donc il faut que les gens sachent que c'est une mission qui a été confiée, elle a un terme à partir de ce terme-là, bah, j'accepte de partir et je prépare, s'il y a préparé ceux qui, euh, pour l'intérêt national, doivent euh, me remplacer. Soumaïla Abdoussadou, vous êtes administrateur euh, civil. Est-ce que la déliquescence de l'administration nigérienne n'est pas un problème d'éducation et de formation des agents Non, absolument pas. Ce n'est pas la formation parce que nulle part on, on enseigne à un administrateur ou un fonctionnaire de l'État les attitudes que nous voyons aujourd'hui inacceptables et inadmissibles qui sévissent dans notre administration publique. Le politique, il a, il a, il a des grandes responsabilités dans ce qui nous arrive. Par exemple, si on veut résoudre le problème, l'alpha et le de la clé, c'est le président de la République. Al-Hajj Abdou Idi l'a dit, le président de la République, il est le chef de l'administration. Donc c'est de sa volonté que réussira toute velléité de résoudre ce problème de, dépolitisation de l'administration. Et aussi, je vais ouvrir une petite porte pour parler à M. le maire. Récemment, il y a une loi qui est là, 2011-21 portant classification des emplois supérieurs de l'État. Et dans cette loi, on spécifie ce qui est emploi technique et emploi politique. Euh, les, postes, évidemment, qui sont à caractère politique et à caractère euh, technique. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Tout s'est été perverti. Et même des cadres, des simples choses, inadmissible. Par exemple, moi, je ne peux pas accepter que dans un conseil des ministres, on puisse faire la promotion des cadres A2 qui viennent juste, juste récemment d'être reclassés. Hein. Ils n'avaient même pas l'expérience qu'ils soient nommés directeurs centraux des ministères. Alors qu'on a des catégories A1 qui sont là à foison. Parce que juste, ils ne sont pas du parti, on fait leur promotion. On a des, des choses aussi extrêmement, des choses vraiment qui dépassent l'entendement. Comme par exemple, récemment, on a vu un enseignant qui a été promu directeur des marchés publics et des délégations des services, un enseignant du collège. Où est-ce qu'on va aller avec ça Sans parler des gens qu'on prenne, qui ne sont pas du cadre, parce qu'il y a des cadres où il y a une certaine technicité qui est exigée. Donc il faut prendre, forcément prendre, puiser dans ces cadres là pour responsabiliser. Non, non, non, on prend des militants, on amène. Donc vous voyez, ce n'est pas lié à la, à la formation, c'est plus lié à la mauvaise foi aujourd'hui de, cette politique extrêmement dangereuse qui a pignon sur rue dans notre pays. Alajidi Abdou, le chef du gouvernement Brigitte Rafini et quelques ministres ont effectué des visites inopinées dans certains services de l'administration nigérienne. Est-ce que cela a apporté un quelconque changement Non, il faut aller même plus loin. Le président de la République, euh, durant le premier mandat, si vous vous souvenez, il a été à l'ONAREM et au ministère de l'Éducation. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas d'acte. Et c'est lui le chef le Premier ministre, il fait ce qu'on lui a délégué. Le chef de l'administration, c'est le président de la République. Quand le président de la République veut, elle sera neutre. C'est pour cela on a dit il veille à la neutralité. Donc, c'est la volonté, ça dépend de la volonté du président de la République. Si aujourd'hui le président de la République veut là, l'administration sera neutre. Mais Kunche, ce n'est pas parce qu'il est militaire, non. C'est écrit dans le statut général de la fonction publique l'agent de l'État doit respecter les horaires, les, l'heure légale de travail. S'il ne le fait pas, c'est un manquement. Et d'autres qui s'absentent sans motif. C'est ça, je te dis, c'est un manquement. Et le manquement est passible d'une sanction disciplinaire. C'est le statut de la fonction publique qui le dit. Donc tout est prévu. Seulement, on laisse. Parce que on l'a politisée et on veut qu'elle soit politisée et on ne veut pas changer demande les citoyens. Ils vont aller dans un service. L'agent de l'État qui a comme mission les services publics, qui doit être loyal et ton comportement doit être caractérisé par une probité, il dit il ne fait pas d'aller dire ça où les gens veulent. Ça, c'est de notoriété pour que tout le monde sait. Parce que ce gars qui dit ça, il sait qu'il est protégé. Et tu vas voir dans une administration, mais regarde, le ministre est de parti X, le SG est de parti Y le SGA est de parti Z. Le SG, là qui est de parti Y, il reçoit ses ordres du siège du quartier général de son parti. Il s'en fout du ministre. Comment voulez-vous qu'une administration fonctionne comme ça Elle ne peut pas fonctionner parce que dans les ministères, on a compartimenté telle direction, c'est pour tel parti tel secrétariat c'est pour tel parti, tel poste c'est pour tel parti. Et le parti Surtout quand vous prenez ce qu'on appelle les petits, petits partis là. Ils n'ont pas de militants. Ils mettent le poste sur le marché des militants. Ils disent, on a tel poste, on cherche des militants. Oui, oui. Ils disent, voilà le poste qu'on a, on n'a pas de militants. Qui veut Celui qui vient, il prend. Et ceux qui prennent là, c'est des jeunes qui sont, depuis qu'on a commencé la démocratie, ils retournent les vestes. Celui qui vient, ils sont ses militants. Et comme les partis politiques, ça les arrange, et ils ferment les yeux, et finalement, tu n'as pas une administration. Le président de la République, quand il va en visite, il fait une visite inopinée, on rentre à 8 heures, il vient à 8 heures. Quand il vient à 8 heures, il fait le tout. Quand il finit le tout, on lui dit, celui-là là, n'est pas là, il est en mission. Il y a un ordre de mission. Tout celui qui n'a pas de justification, son absence n'a pas de justification. À 13 heures, on le dégomme. Et vous allez voir, il doit s'arrêter. Le reste, ça passe de bouche à oreille. le président recule. Tout le monde va venir alors. J'ai l'habitude de dire. Mais quand vous avez un ministère où le président même est plus puissant que le ministre, de quelle administration vous parlez Normalement, vous prenez un ministère. L'administrateur du ministère, c'est le SG. Si vous prenez politiquement quelqu'un, vraiment politiquement quelqu'un, vous mettez un sujet, il va contrôler, il a administré qui Lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est ce qui a gangréné l'école. Le premier conseiller dans une école primaire, c'est le directeur. Vous avez vu, ça l'avait souligné, vous allez voir un directeur national qui a un matricule 100 000 et quelques. Ça veut dire qu'il vient à peine d'être intégré à la fonction publique. Il y a de l'expérience. C'est important, l'expérience, elle est importante. On peut l'amener pour qu'il comprenne mais on ne peut pas l'amener et dire qu'il faut diriger. où. c'est les gens, des gens, on, veut, on vous dit, bon, lui, a vraiment, il n'a pas l'expérience, mais il peut apprendre. Mais on n'apprend pas à la tête. On reste dans l'administration et on apprend. Mais on ne vient pas sans apprendre à la tête, on n'apprend rien du tout. Et quand vous venez, lui là qui est venu parachuter, il est gonflé. Il ne peut même pas demander les expérimenter. Il suppose que c'est lui le chef et tout s'arrête là. Et quand tu vas constater, l'administration ne va jamais fonctionner parce que lui, il n'a pas en réalité l'expérience qu'il faut, il ne comprend pas. Tu sais, c'est que les gens oublient, il y a ce qu'on t'apprend à l'école et ce qu'il y a sur le terrain. <laughs> C'est différent. <laughs> Monsieur le maire, là, j'allais moment, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, oui, je voulais ajouter qu'en fait, euh, euh, c'est vrai que ça, comme il l'a si bien dit, euh, tout dépend du pouvoir en place. Parce que lorsqu'il y a des cadres à nommer, je suppose, au niveau de la fonction publique, il y a des critères, c'est-à-dire euh, le profil et ensuite les différentes expériences. Donc, cela doit s'imposer aussi aux partis politiques. Lorsque vous êtes dans une alliance d'un parti politique, naturellement au niveau du ou du secrétariat général du gouvernement, cela, doit, cela se discute et ça doit être arrêté de façon à ce que, que vous ne mettez pas n'importe qui. Aujourd'hui, au niveau de l'administration du Niger, il y a toutes les compétences. Moi, je ne peux pas être On a 57 ans d'indépendance, donc il y a toutes les expériences. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut, tous les cadres qu'on peut avoir besoin, en tout cas pour le fonctionnement d'une administration sérieuse, hein, euh, euh, travailleuse. Donc, les cadres sont là. Donc, il n'y a qu'à choisir ceux qui conviennent le mieux, pas plutôt ceux qui servent le mieux. Parce que le plus souvent, euh, si vous voulez, c'est ça qui fait que les gens préfèrent, disons, des prétendus fidèles plutôt que, si vous voulez, des bons travailleurs, euh, honnête et, consciencieux. Donc tout le problème est là. Il faut que, au niveau des gens qui sont appelés à nommer, euh, vraiment choisissent les cadres compétents et les cadres, naturellement, aussi qui répondent aux critères. Parce que le critère de base, là, c'est extrêmement important de façon à ce que euh, cela nous éviterait naturellement d'avoir, euh, disons, euh, les différents inconvénients que le camarade Abdou vient de citer. Monsieur le maire Alagi Ali Maman, beaucoup de fonctionnaires ne veulent pas servir à l'intérieur du pays. Est-il normal qu'un agent de l'État choisisse sa localité de travail Bon, disons oui, il peut choisir sa localité de travail. C'est-à-dire, si la localité de travail ne lui convient pas, il dit je démissionne. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, un fonctionnaire, lorsqu'il est euh, nommé, donc il est appelé à aller partout où, l'administration a besoin de lui. Mais naturellement, si jamais vous refusez, cela correspond à une démission. Quel que soit, si vous voulez, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, c'est la règle. Si vous êtes appelé à travailler à tel endroit, naturellement, si vous bénéficiez d'un contrat qui précise les lieux, le travail, etc., etc., bon, naturellement, euh, les dispositions existent pour que vous puissiez dire non. Mais comme ici, c'est un cadre général, vous ne faites qu'adhérer. C'est la loi de la fonction publique. Et vous êtes obligé de, l'appliquer. Et vous-même, et aussi celui qui, naturellement, est appelé à vous nommer ou à vous affecter, il doit l'appliquer. Donc, euh, il, est possible que dans le cadre de l'exécution, qu'il y ait des discordances, que les gens... Mais c'est simplement parce que, comme il a dit, c'est parce que simplement les gens bénéficient des soutiens politiques ou des soutiens administratifs. Euh, il ne faut pas aussi l'exclure. C'est pour ça que les gens euh, euh, disent souvent ou je ne pars pas, ou euh, bon, en tout cas, ils trouvent un faux fiant pour essayer de contourner ou de faire, refaire la décision. Alaji Idi Abdou, peut-être qu'on l'avait un peu évoqué, on va essayer de revenir là-dessus. Comment une administration arrive à être politisée Mais c'est ça. Elle est politisée parce que ne respecte pas le mérite d'abord. On ne récompense pas aussi les méritants Non, on ne récompense rien du tout. Et pour revenir sur l'exemple du maire, en fait, c'est même pas ceux qui servent, c'est ceux qui servent les personnes. Oui, On a déjà quitté la mission de service public, maintenant on est venu une mission de service particulier. Parce qu'on ne nomme que... Vous allez voir quand vous faites le tout, la plupart des gens, c'est le culte de personnalité. Ce n'est pas l'État du Niger qu'ils défendent. Ce n'est pas l'intérêt général qu'ils défendent. Mais c'est pour faire la promotion de celui qui leur a donné cette place. Pour caricaturer un machin simple où quelqu'un remercie parce qu'on lui a donné un poste juste. Monsieur le maire euh, euh, l'administration publique nigérienne était l'une des plus dynamiques et performantes au niveau de la sous-région ouest africaine, euh, j'allais dire à votre époque. Selon vous, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui Oui, aujourd'hui, c'est comme vous avez si bien dit, hein, c'est la politisation à outrance de l'administration. C'est-à-dire l'administration est devenue un instrument du politique. Donc comment voulez-vous Parce que le, politique va toujours essayer de faire, euh, naturellement, faire, des choses, parce que le politique a besoin de cadres. Et il estime que déjà, si le Niger a 200 000 fonctionnaires, par exemple, et que ces 200 000 fonctionnaires font le culte de la personne, hein, de, celui qui, de, celui qui, est au pouvoir, mais vous êtes perdu. Parce que le, le nouveau parti qui vient de se créer, c'est difficile peut-être qu'il puisse avoir 10 ou 30 personnes ou 100 personnes, ben comparé. Donc ce sera toujours lui. Donc, si vous voulez, l'idée de se perpétuer au pouvoir, c'est ça qui fait que c'est ça qui est à la base, si vous voulez, de la caporalisation de l'administration et de la chefferie traditionnelle. vous avez quelque chose à ajouter rapidement euh, Moi, je, vais dire aux agents de l'État que leur profession, comme on dit dans les textes, s'exerce dans un cadre légal et réglementaire. Ça veut dire que tout est régi. Les rapports avec la hiérarchie, avec les usagers et entre collègues aussi il y a un ensemble d'interdictions aussi qui sont là, que les agents ne peuvent pas se permettre. À présent, nous allons aborder euh, les conséquences du dysfonctionnement de l'administration publique nigérienne. Elagi Ediabdou, quelles sont les conséquences immédiates du dysfonctionnement de l'administration publique nigérienne D'abord, euh, la première conséquence est la plus grave. Cette mission de service public n'y est plus. Elle n'y est plus. Vous prenez les secteurs les plus... Euh, les secteurs sociaux, l'école les services publics de l'éducation, ça donne quoi Rien du tout. Vous prenez la santé, c'est la même chose. Tous les services, dès lors que les agents ont été détournés de leur mission, ça veut dire que l'administration est là pour servir des intérêts particuliers. Ce n'est plus les services publics, mais c'est des services particuliers. Et c'est ça qui fait que tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Il faut aller dans les hôpitaux, il faut aller dans les centres médicaux. L'école, on n'en parle même pas, elle est par terre. Tous les secteurs, il n'y en a pas, il n'y a que la corruption maintenant. Il n'y a que la corruption, c'est les affaires, les gens, euh, euh, en fait, ils se servent de l'administration publique pour s'enrichir. C'est l'enrichissement illicite. C'est le détournement. C'est le trafic d'influence. Il n'y a plus rien parce que la base la mission principale a été détournée. Dès lors que la mission principale a été détournée, les conséquences, ce c'est évidemment, c'est ramener des individus qui, qui, qui, qui exploitent l'administration publique. Ce n'est plus une administration publique, en fait. Soumaïla Abdou vous êtes administrateur civil. Euh, si rien n'est fait, quel risque guette le Niger pour les années à venir bah, Le Niger va s'effondrer. Nous sommes déjà euh, dans la voie, hein, parce que c'est l'administration le moteur de développement. C'est l'administration qui doit tout coordonner. Si ça n'existe pas, cette charpente-là, sur quoi ça va s'appuyer Sur quoi on va euh, mettre, en œuvre nos politiques publiques C'est sur cette administration compétente qu'on doit s'appuyer. Si elle n'existe pas, c'est foutu hein, pour le pays. Donc il faut vraiment que nous nous ressaisissons que les fonctionnaires reviennent à, l'orthodoxie, à la pratique. Comme il est dit, un fonctionnaire n'a pas le droit de, faire, d'avoir des, des activités extra-professionnelles au lieu du travail, pendant les heures du travail, en dehors, de, en dehors du, lieu du travail. C'est écrit. Oui, oui. Sauf cas de euh, dérogation. Il faut une dérogation. Or, on voit, aujourd'hui, vous sortez dans la rue, hein, tous ces véhicules que vous voyez là, c'est les agents de l'État. Vous partez dans leur bureau, vous ne les trouvez pas. Le service public, il est paralysé totalement. Et l'enseignement, ça se sent aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas, comme il l'a évoqué. voyez, donc vraiment, on court un grand danger et il est urgent d'y remédier. Euh, comment faire euh, alors euh, pour un meilleur rendement, pour y remédier Pour y remédier, d'abord, il faut qu'on applique la loi de manière ferme, qu'on revienne aux valeurs de professionnalisme, de mérite et de compétence. Nous sommes tous des enfants du Niger. Chacun a été fermé par ce pays-là et il a le droit de servir ce pays-là. On n'a pas à laisser quelqu'un sur le bord de la route. On doit mettre tout le monde, tous les partis. On n'a pas à regarder un tel mon parti. Il sert son pays. L'essentiel, c'est l'obligation des résultats quantitatifs ou qualitatifs. C'est ça qu'on doit imposer. Mais tant qu'on n'a pas envie, à ligne de mire, la notion de, résultat ou de rendement, ça ne peut pas marcher. Et c'est sur ça qu'on doit juger les agents de l'État à produire les rendements. Et or, le rendement aujourd'hui, les il est, zéro. Voyez la consommation des de crédits et autres mobilisations des ressources. C'est nul. Pourquoi C'est ça aussi, ça revient à la figure de ces politiciens-là qui envoient leurs militants incompétents, médiocres au niveau des postes. Et là, ils ne peuvent pas mobiliser et ça ne fonctionne pas. Le pays, il est, il est pris, il est, il est étranglé. Il n'y a pas de ressources parce que tout simplement, ce sont vos militants que vous avez mis. Ce sont vos, à vos militants vous accordez des faveurs. C'est une chaîne. Hein. Donc vraiment, ne pensez pas que vous faites l'affaire pour vous et pour vos militants. Mais après, ça va se retourner contre vous. La mauvaise gouvernance, les difficultés à payer les agents et tout ce qu'il y a, les services sociaux, tout, tout est, est foutu. C'est ça aussi. Monsieur le maire Alage Ali, Ali Maman, dans certains bureaux, même ceux qui sont présents à l'heure ne, font pratiquement rien pour faire avancer le travail. Comment faire euh, pour plus d'efficacité Oui, ça c'est la banqueroute, la banqueroute rampante du pays. C'est ça qui est à la base. Si naturellement <laughs> il n'y a même pas le papier ou le bic pour écrire, euh, c'est vrai que les gens vont aller au bureau, ils vont croiser les bras, pour ceux qui sont honnêtes. Euh, mais pour d'autres, bon, ben, ils vont aller à leur occupation, euh, ce qui peut leur apporter beaucoup plus de ressources. Donc, euh, grosso modo, vous pouvez me dire que, parce que tout à l'heure, on a parlé du pouvoir en place et on, disons, on, l'a acculé, mais en, réalité, disons, il y a la part de responsabilité aussi des fonctionnaires eux-mêmes. C'est vrai, l'intimidation aussi il y a aussi la corruption, comme euh, euh, notre camarade vient de le dire. Donc, euh, il, y a une, corruption, si vous voulez, à l'échelle généralisée. Donc, ce qui fait que les gens particularisent leur intérêt individuel, disons, au dépend de, de l'intérêt général. Donc finalement, c'est comme si la société nigérienne, comme il vient de le dire, euh, euh, disons, elle est euh, en train de, chuter. C'est-à-dire, qu'il y a un recul terrible que les gens, bon, les sociologues sans doute vous le diront, cette descente aux affaires, donc il faut qu'elle soit rattrapée rapidement. Et comment la rattraper C'est faire en sorte qu'il y ait une... Parce qu'en démocratie, il faut qu'il y ait une opposition. Si l'opposition, est minée, minée, elle est minée à zéro, naturellement, bon, ben, le principal parti qui a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que euh, euh, on ne peut sauvegarder la démocratie qu'en faisant un peu l'équilibre. Lorsque les, citoyens estiment que de ce côté-là, ça ne va pas, il y a une exagération hein, de l'exercice du pouvoir par rapport, et il n'y a pas de respect de loi, qu'ils aient quand même la possibilité de trouver, euh, disons, quelque part, une structure qui peut effectivement les réunir, les rassembler et amener, disons, à, disons, à, faire en sorte que le pouvoir en place soit conscient de, disons, des dérives et qu'il puisse réparer. Monsieur le maire, vous avez vécu des bons moments de l'administration nigérienne. Quelle réaction ou sentiment la situation actuelle suscite en vous Oui, c'est-à-dire que euh, nous sommes tous responsables, certes, comme on l'a si bien dit. Mais euh, il y a certains qui sont plus responsables que d'autres. Euh, et il d'abord en commençant par les intellectuels, parce que dans tous les cas, les choses ne peuvent bouger que lorsque les intellectuels seront eux-mêmes conscients euh, et, aussi, euh, naturellement, soient responsables et sérieux. Parce que la, le, fait de privilégier l'intérêt particulier là fait que ben, personne ne pense à personne, il ne pense qu'à lui-même. C'est-à-dire l'individu. Or, le Niger n'était pas, c'était une communauté. Vous voyez-vous, les gens, ils, euh, euh, disons, préparent ensemble, ils travaillent ensemble, en famille, c'était toujours ainsi. Donc ça, là, quand même, les anciens, eux, ils connaissent. De ce fait, je pense que les gens peuvent revenir un peu plus facilement, avec un peu de bonne volonté, euh, si vous voulez, à, euh, disons, euh, à travers la moralisation de la vie publique, de la vie politique d'abord, de la vie publique, et ensuite maintenant la gestion. Parce que la gestion, c'est quand même important, parce que tout dérive de la gestion. Lorsque la gestion est mal faite, naturellement, elle, détruit toutes les, les, différentes entités hein, euh, sociales, et puis finalement, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a que la corruption qui, prévaut. Merci. Alaji Idi Abdou, euh, si cette situation continue, à quoi doit-on s'attendre rapidement ben, Nous allons effectivement c'est la banqueroute économico-financière du Niger. Parce que c'est les fonctionnaires-là qui produisent de la richesse. Et ces fonctionnaires-là, si leur gestion n'est pas rationnelle, si l'administration publique vise à enrichir des individus, si l'administration publique est dénaturée, elle a été détournée de ses missions, ben, comment un État peut se produire Comment un État peut produire des riches C'est les mêmes fonctionnaires qui produisent les richesses, c'est pas quelqu'un. Ça tombe pas du ciel. L'administration publique, pour faire simple, c'est l'organisation pour la mise en œuvre des politiques publiques. Si cette organisation ne marche pas, ben, il n'y a aucune mise en œuvre et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, Soumeila Abdou, Abdou Sadou. Euh, rapidement, si vous En fait, euh, il faut que les gens comprennent il faut, il que les gens comprennent. En fait, c'est facile de manipuler et d'avoir cette option de culte, mais ça se retourne contre l'État que les gens sont censés diriger. Donc, il devrait faire en sorte que l'État puisse quand même être préservé. Et l'État ne peut pas être préservé tant que l'administration n'a pas sa neutralité. Il faut appliquer tout simplement le statut général de la fonction publique. Il a prévu toutes les solutions. Soumaïla Abdoussadou, vous êtes administrateur euh, civil. Rapidement, vos propositions de solutions. il faut respecter les textes. Hein, euh, retour à l'orthodoxie. Avant, ce pas des génies, c'est des humains qui nous dirigeaient. Ils s'en tenaient aux textes. C'est le mérite, l'effort, le travail, le professionnalisme, la compétence. Il faut revenir à ces valeurs-là. Il faut mettre la politique de côté. Quand même, c'est votre militant, il n'a pas les compétences à exercer une euh, fonction. Dites-lui non, gentiment, vous ne pouvez pas nous, nous sommes en train de faire un, travail de développement de notre pays. Et, vous n'avez pas votre place à cette position-là. Donc c'est comme ça. Et les partis politiques aussi doivent œuvrer dans ce sens-là, parce que c'est eux qui aspirent à gérer ce pays-là. La gouvernance, c'est eux qui doivent assurer. À leur sein aussi, ils doivent faire la promotion de la compétence. Mais quand vous prenez juste, vous mettez des gens, des bénis oui, autour de vous, vous les entourez, n'ont pas de compétences, et vous faites leur promotion pour pouvoir les tenir. Voyez, c'est pas bien. Vous ne rendez pas service au pays. Alain Abdou, rapidement, vos propositions de solutions. Oui, mes propositions de solutions, c'est simple. Ça, l'a dit, Kounche n'est pas un génie. C'est les textes. On sait donner les textes, on applique les textes. Tout ce que Sad avait souligné, si vous appliquez dans les textes de la fonction publique, le statut, il dit que vous ne pouvez pas monnayer votre service à un cadeau. C'est écrit. L'abus la, négligence, le manquement, c'est sanctionné. L'agent de l'État doit respecter les lois et règlements de la République. L'agent de l'État doit être aussi récompensé Mais évidemment, évidemment, parce que maintenant, mais regarde, même la politique, on peut la faire. Mais il y a des militants des partis politiques compétents, mais on ne les prend pas. Parce que les compétents, ils travaille conformément à la loi. Maintenant, on cherche des gens qu'on peut manipuler. Malheureusement, les gens qu'on manipule, ce n'est pas pour l'intérêt public, c'est pour l'intérêt privé. Et les gens refusent de comprendre. Ils ne, se rendent même pas à service. Parce que vous prenez n'importe qui, vous mettez dans n'importe quelle place. Et, les gens pleurnichent que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, parce que c'est vous qui avez eh, eh, introduit le virus. Vous avez mis des gens qui n'ont aucune compétence des gens qui n'ont aucune qualité. Vous les avez mis parce que ils vont faire votre promotion, pas la promotion de l'intérêt général. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, la solution, c'est simple. Il faut que la politique comprenne. La politique existe quand l'État existe. Et si on crée les conditions de la déliquescence de l'administration publique, ça veut dire de la déliquescence de l'État, ça veut dire qu'il n'y a aucune politique qui vaille. Monsieur le maire, rapidement, pour oui, des solutions. Oui, d'accord. c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je sais que dans un pays comme euh, le Niger, il y a suffisamment de souplesse naturellement pour se sortir de quelle que soit la catastrophe dans, laquelle on se trouve. Donc, j'ai dit qu'il y a une solution. Il y en a une solution parce que il y a la question de l'alternance. Il faut que cette alternance-là, si vous voulez, s'inscrive dans l'agenda de ceux qui aspirent au pouvoir, notamment le, politique. Parce que c'est à travers ça que, naturellement, on se dit, je suis venu pour servir un temps et je m'en vais. Donc, je fais en sorte qu'au moins après moi, que ceux qui viendront puissent trouver, euh, disons, la structure mieux préparée, euh, mieux utile pour, pour son autodétermination et utile pour son développement durable. Or, si jamais il n'y a pas ça, mais ce n'est pas bon. C'est-à-dire que. Euh, mais, euh, en fait, si cela continue, ce que peut-être les autres n'ont pas dit, ça peut amener naturellement à une révolte ou à une révolution. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Soumaila Abdou Sadou, il est administrateur civil. Nous étions également avec Alhaji Idi Abdou de la société civile et Alhaji Ali Maman, ancien fonctionnaire euh, et ancien maire de la commune 2. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence de nos 30 une radio partenaire avec une autre thématique. Merci, au revoir.